la table. la la table la table la table na sama La table télé table, meuble tout tout. Euh, salut tout le monde alors je vais vous expliquer un peu la situation. Euh, Babe a voulu m'offrir euh, un nouveau salon parce qu'il m'a offert une nouvelle chambre à coucher donc mon il a fait un salon et tout qu'il allait changer. je dis ok Babe. Après, il m'a dit, où est-ce que tu aimerais que je, je, paye les salons Parce que vu que je suis pas au Sénégal, je sais pas trop comment ça se passe. Il m'a proposé pas mal de, de, de, sociétés, il immeubles et tout, que je pas cité le nom et tout. Mais il que ça me plaisait pas. Donc, du coup... Euh, donc, du coup... J'ai dit, au lieu d'aller payer ailleurs, avec Turquie, des trucs comme ça, alors que moi, je vois ici à Dakar que franchement, les gens, ils font des bêtes de trucs, ou à sur le fait, pourquoi pas leur donner leur chance j'ai ok. Oh, ben. <laughs> et je suis sûre. Donc je disais, après tout ça, quand les meubles sont venus et tout, il y a euh, <laughs> la personne qui m'a amené ce, ce, ce là Je n'ai pas du tout kiffé. Il a Ah, comme que euh, euh, a dit offrir la chambre à coucher pour baisse est-ce que tamit salon non. non, non, non, non, non, local et tout non, pas mal de non, des trucs comme ça et tout Tu dis ah, pourquoi pas je vais aider un frère sénégalais. <laughs> le gars, je lui dis dans un premier temps, euh, faut venir, faut prendre euh, les, mesures et tout, et tout, et tout, et tout. Comme ça, comment je veux que les choses se passent et tout. Le gars me dit non, non, non, fais-moi une vidéo, a ma vidéo. Après, il n'y a pas de problème, moi je te fais ça. Yagna Kodem, nanani, nanana, hein. sénégalais. Hop là là, mais. Mais, déjà, le gars, date venu fixer pour moi, il me semble bagage. Et secondo, mais je suis sur le cul. Mais il m'a fait mais du n'importe quoi. Mais eh Donc je disais, le gars, je lui dis, il euh, faut venir, tu prends les mesures et tout, tu regardes, on, parle de la qualité et tout. Moi, je veux du cuir. Il me dit, ok, il a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je te fais du cuir et tout. Je lui dis, faut venir prendre les mesures. Il me dit, non, man, bima sais les mesurer, là, là. Moi, d'accord, d'accord. Moi, maintenant, ça se passe comment Moi, non, euh,

juboo ma jox ko il y a de cela 10 jours ma complété avec le reste déjà timing il a pas respecté parce que moi le timing moi je savais pertinemment bien qu'en en trois semaines munoo def ay regarde moi donc timing moi ma j'étais j'étais sûre à 1000% pour cent qu'il pouvait pas en deux trois semaines tu peux pas gérer les choses maintenant je te donne le temps qu'il faut il m'a dit d'accord si on met un mois et ça, je peux te gérer ça maintenant d'accord il y a 10 jours ma jox ko le reste de son argent donc c'était ok ma ne ko war ma fauteuil à chaque fois damaa am dëj damaa nii damaa naam il y a toujours quelque chose Je ne dans tous les cas qui moi, ma ne m'énerve pas ne m'énerve pas non mais live là? non non léegi ma euh, ñu on en a discuté on a conclu ba tey jii et tout ma déggante ak Alaaji expliqué que c'était ma ne ma mais c'est bien tout ça j'espère que les meufs vont te plaire bon man liggéey sénégalais je suis un peu sceptique ma ne ko non non non façon au Sénégal on fait du bon léegi xoolal déjà photo yi gàttee na nu le man déjà tungu ne naa àllum neen dama tungu ne déjà man samay photo yi dama bëgg di toog mii di tiim saa bopp tu photo yi gàttee na nu le ba pare les finitions oh finition saa waay jël ko rebord yi ak graf maama ñu ne déete waay may xëm ximbileegu ma saa waay na ma <laughs> table basse bi pareegul <laughs> nee na ma table basse bi pareegul léegi salon sans table basse ça veut dire quoi ba pare meuble télé bi tamit cëkk ba mel ni non oh am naa lu ma non mais plus jamais plus jamais. nga def. ma. nga fauteuil da meuble parce que je n'aime pas

la table lan. télé bi mu xam ne na lépp génn.